Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit euh, de l'an 1 du retrait de l'AES de la CDAO. Des milliers de manifestants ont célébré l'événement dans plusieurs localités euh, des pays membres de l'AES. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur la mise en circulation du tout nouveau passeport de l'AES. L'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et les opérateurs économiques du Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir docteur. Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. je le disais tantôt, les Nigériens ont répondu à l'appel des responsables de la société civile et des autorités mardi 28 janvier pour une marche suivie de meetings à Niamey et dans plusieurs autres localités du Niger. La place de la concertation a été le point de chute de cette manifestation qui célèbre le premier anniversaire du départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Maimouna Diado, Organisé simultanément dans les autres pays membres de l'AES et dans plusieurs régions du Niger. Cet événement a connu la participation des représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Que peut-on retenir au sujet de cette manifestation Merci donc euh, Mokhtar. Ce qu'on peut retenir euh, de cette manifestation, c'est que c'est une manifestation, comme tu viens de le dire à l'instant, qui a été en fait célébré un peu partout dans les trois pays de l'AES. C'est pour que au Niger, euh, dans plusieurs autres localités, C'est dans les huit régions du pays en fait que ça a été euh, vivement donc euh, célébré. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il fallait pour les Nigériens donc de concrétiser la fin pour montrer à la face du monde que le Niger ne marche plus avec la CDAO comme les autres pays de l'AES. Donc il fallait magnifier ça par un rassemblement euh, gigantesque pour montrer que euh, les Nigériens adhèrent à cette décision prise par les chefs euh, de l'État, donc des pays de l'AES. vous l'avez vu, il y a eu tellement de, de mobilisation, que ça soit aux confins du Niger, que ce soit dans les départements et également même dans les petites localités. Dans certains chefs-lieux de communes. Chefs-lieux de les gens sont sortis. Et durant peut-être à peu près trois heures ou deux heures de mobilisation a permis de voir que euh, véritablement les dés sont jetés. Le Niger, comme les autres pays de l'AES, <laughs> ne va plus continuer, en tout cas, avec la CDAO. Maintenant, c'est d'aller de l'avant, c'est de concrétiser ce qui a concrétisé au niveau donc euh, de l'espace de la CDAO pour que l'intégration africaine de ces trois pays euh, soit véritablement euh, leur objectif et le développement économique, socio-économique de ces, de ces États-là. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est véritablement par rapport à ça et que euh, maintenant, nous allons voir ce qui aura lieu de voir, s'il y a quelque chose qu'on pourra augmenter comme commentaire à faire dans les quelques jours à venir, nous verrons. Merci beaucoup, Mme Gado Abakararimi. Ce retrait a été présenté comme une réponse nécessaire face à une organisation jugée incompatible avec les aspirations des peuples du Sahel. Quelle est votre opinion au sujet de ce retrait des pays membres de l'AES de la CDAO écoute, euh, je ne je sais plus si mon opinion compte dans cette affaire. Vous êtes nigérien. Oui, le Niger fait membre de l'AES. C'est acté euh, déjà lors du retrait il y a un an, n'est-ce pas Les trois États membres de l'AES ont fait savoir que le retrait prenait un effet immédiat parce que les autres pays de la CDAO, la CDAO, a argué que non, c'est un an d'abord, puis on verra. Ils ont dit non, il n'y a pas d'un an à observer. On se retire immédiatement. Ils disent non, c'est un texte auquel tous les pays ont adhéré qui stipule que le retrait prend au moins un an. L'an 1 est arrivé. Et donc, euh, maintenant, de l'avis euh, de ceux qui se retirent et de l'avis de ceux qui euh, font encore partie de l'AES, normalement c'est fini. Même si euh, là ils disent encore qu'ils donnent euh, six mois, n'est-ce pas, six mois pour voir comment mettre en comment on appelle en pratique, n'est-ce pas, les effets de ce retrait. il faut préciser aussi que les textes ne, prévoient pas ce délai supplémentaire de six mois après les un an. Bon, les exemples, en fait, l'exemple qu'on peut retenir, c'est l'exemple de Brexit, n'est-ce pas, quand l'Angleterre s'est retirée euh, de l'Europe, c'est même plusieurs années, n'est-ce pas, et le processus, n'est-ce pas, euh, pour que ça soit définitif, n'est-ce pas, pour que les comptes soient soldés, comme on dit euh, à la matière, n'est-ce pas, ça a pris aussi quelque temps. moi, je pense qu'il s'agit de cela, l'un dans l'autre. dès lors que les trois pays se sont retirés, n'est-ce pas euh, À eux maintenant euh, de faire savoir les règles, n'est-ce pas, qui vont régir les relations entre eux et euh, les autres pays de, membres de l'AES, n'est-ce pas Et aussi aux pays membres de l'AES, bon, eux, ils ont dit déjà que pour l'instant, concernant la mobilité et autres, ils continuent à pratiquer l'ancien euh, l'ancien texte, n'est-ce pas, qui régissait les relations entre ces pays-là pour les ressortissants de ces pays-là. Maintenant, on verra qu'est-ce que euh, les pays membres de l'AES vont décider. On sait que désormais, normalement, euh, la carte d'identité AES, le, passeport, le passeport AES, e normalement, à partir de la date d'hier, de, d'hier n'est-ce pas, sont en activité. Bon, j'ai pas vu quelqu'un qui a encore fait, mais c'est ce que ça veut dire au mais dans, certains pays, au Burkina Faso et au Mali, ils ont déjà, commencé à établir euh, ah les nouveaux passeports. Moi, je pense qu'il n'y a plus euh, à regarder dans le rétroviseur. N'est-ce pas Sauf si un jour. Selon vous, le processus est, euh, irréversible En principe. En principe, il est irréversible parce que les décideurs. Il n'y a pas de négociation possible. Je crois que. les deux parties, personne n'a demandé à négocier quoi que ce soit. Peut-être que ça va venir, d'ici, euh, on ne sait pas. Mais euh, ça, c'est déjà une chose qui est vraiment terminée, à, mon avis. Maintenant, il y a ces questions, parce que il y a un doublon même dans la sous-région. Euh, il, y a certes, la CDAO, il y a aussi l'UEMOA. C'est il y, a, aussi le Conseil de l'entente. Non, c'est le, Conseil de l'entente est non seulement antérieur, mais le, Conseil de l'entente n'a pas aussi vraiment assez de, marge. Non, assez de marge, non, n'a pas marqué son territoire comme la CDAO. La CDAO, dans tout le continent, c'est connu comme étant vraiment un des exemples à suivre à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu quittes la CDAO, tu n'as pas quitté le, le mois. En fait, c'est comme si ton pied est encore dans la CDAO. C'est vrai que maintenant c'est la langue. Or, euh, c'est la langue qu'on dénonce d'abord en la matière parce que l'UEMOA c'est l'union monétaire, mais la monnaie qui nous lie, c'est la monnaie là même qu'on décrit encore. Donc il y a un pied qui reste en réalité dans la CDAO. Euh, Donc selon vous, ce qui reste, c'est d'abandonner euh, le, le, franc CFA. Le franc CFA. Bon, je comprends un peu les dirigeants de, je comprends un peu les dirigeants de, l'AES, puisque euh, il y a aussi un processus à l'intérieur du euh, de moi mais aussi, euh, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, de la CEDAO, une autre monnaie en gestation, dont le Niger était partie prenante, n'est-ce pas La monnaie unique de la CEDAO. Voilà. Maintenant, si d'aventure l'AES n'accélère pas et que ceux-là, ils passent à la vitesse supérieure. nouvelle monnaie, quelle sera notre monnaie, nous Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut anticiper, à mon qu'il faut les réponses. Euh, j'espère que euh, nos dirigeants sont en train de penser à tout ça. Merci beaucoup, Abachar Arimi. Hussein Sajibou, la forte mobilisation des populations dans les trois pays de l'AES envoie un message clair et fort. La Confédération est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, <laughs> selon beaucoup d'autres euh, observateurs. Y a-t-il des conséquences liées au retrait des pays membres de l'AES de la CDAO Mais Bien évidemment, Mokhtar. Je vais finir, je vais commencer par là où Abba Arimi a fini rapidement. Ah, il a parlé de la monnaie. On est toujours dans la même famille parce qu'on package la même monnaie. On package la même langue. Avec, certains pays de la CDAO. Avec certains pays de la CDAO. On est dans le même, comment dirais-je, euh, pratiquement dans, le même panier jusqu'à aujourd'hui. On est en train de vouloir se libérer, mais moi je vais dire, il y a des aspects sur lesquels il faille mettre l'accent. La question de la monnaie, c'est important. Quand vous dites vous sortez, on est dans lieu moi, jusqu'à preuve de contrat encore, c'est la BSAO qui nous gère sur le plan monétaire. On a mobilisé, c'est bien vrai, pour montrer qu'on est définitivement sorti, mais on n'est pas totalement sorti parce qu'on est encore tenu par des mécanismes. On est dans cette situation-là. On a mobilisé, on a fait tout, on a chassé les militaires et tout et tout. Mais quand quelqu'un tient ta monnaie, c'est lui qui fabrique la monnaie que tu consommes, que tu dépenses chez toi. Parlons euh, à présent euh, des conséquences. Mais les conséquences, c'est quoi Bon, il n'y a pas de conséquences immédiates. Il n'y en a pas. Avant que euh, la CEDAO ne sorte son communiqué pour dire que pratiquement les choses vont rester à l'État, l'AES a déjà fait ça. Peut dire la libre circulation des personnes et des biens, n'est-ce pas c'est garanti. C'est garanti. Les, même y compris des résidences et tout, n'est-ce pas Alors, la CEDAO avant 21 sorti aussi son communiqué peut dire que les citoyens des trois pays de l'AS, e ils peuvent se considérer comme étant chez eux. Alors, il n'y a pas véritablement, c'est juste une rupture qui est là, une rupture où on considère que les trois pays sont partis, mais du point de vue des intérêts des populations, on maintient la même chose, n'est-ce pas Maintenant, c'est du point de vue pratique, la pratique sur le terrain. Comment ça va se passer Quel, genre de pratique La libre circulation La libre circulation n'a jamais été des personnes et des biens. Même quand il y avait l'entité CDAO, c'était des problèmes. Quand, euh, parce qu'aujourd'hui, il faut craindre que aux entrées, aux postes frontières, là où les gens rentrent, il faut créer les conditions pour faire comprendre, parce que ce n'est pas évident, que ceux-là qui sont au niveau des frontières, qui sont au niveau, puissent, respecter ça. Parce que c'est souvent ça le problème, y compris dans des aéroports. Hein, où vous venez, on regarde, c'est ECOAS non CDAO, on regarde votre passeport, on vous crée des ennuis. À, la place de. Euh, non, de... Bah, je vais dire, ECOAS, on vous crée des ennuis pour dire, moi, c'est des choses que j'ai vécues vous venez aux frontières là, aux postes frontières là. C'est pas évident s'il n'y a pas une sensibilisation, s'il n'y a pas un contrôle pour dire non, on continue dans le même schéma qu'avant. Les gens vont avoir beaucoup de problèmes. Parce que les gens vont bricoler. Ceux qui sont au niveau des frontières, ils vont bricoler pour trouver à manger. Arrondir les angles, comme on dit. Voilà la situation qui risque de se poser, malgré les textes qui ont été de part et d'autre. Clair. Clair il n'y a pas de doute qu'il y aura des problèmes au niveau des frontières. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, les manifestations de l'an 1 du retrait euh, des pays membres de l'AES de la CDAO. Euh, chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet euh, du forum de la presse sur Studio Kalangou la mise en circulation des passeports de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sera effective à partir du 29 janvier 2025 dans tous les pays membres de l'AES, a annoncé le président en exercice de la dite confédération, le général d'armée Assimi Goïta, dans un communiqué publié jeudi 23 janvier 2025. Selon cette même source, les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CDAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière. La mise en circulation du passeport de l'AES interviendra le lendemain de la date anniversaire de la déclaration de sortie de la CDAO des trois pays euh, le 28 janvier 2024. Que faut-il désormais comprendre à travers la mise en circulation de ce nouveau passeport de l'AES Écoute, euh, que je sache, normalement, euh, la CDAO n'a pas d'entente avec euh, d'autres pays ou d'autres euh, regroupements de pays. par exemple, euh, je m'explique, si avec mon passeport nigérien, je vais dans un pays de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, je dois payer dans tous les cas le, visa pour y rentrer n'est-ce pas Je dois même d'abord obtenir le visa pour avant de quitter normalement même le Niger. Euh, la CDAO n'a pas de tel euh, rapport avec tous les pays du monde, d'ailleurs, si je ne m'abuse. C'est le Niger qui a ce genre d'entente avec des pays, notamment du Maghreb. Si je pars au Maroc, euh, je prends mon sac et puis je vais à l'aéroport parce que je n'ai pas besoin de visa. C'est la même chose avec la Tunisie, c'est la même chose avec la Mauritanie depuis quelques années. Donc, dès lors que ces pays membres restants de la CDAO, on dit que pour l'instant, les personnes issues des trois pays membres de l'AES continueront à bénéficier des mêmes avantages. Le passeport, tu le prends et puis bon, on peut aller dans n'importe quel pays. Selon vous, euh, l'établissement... Sur ce plan, il n'y a pas de changement. Sur ce plan, il n'y a pas de changement. Euh, maintenant, euh, le, le, passeport, dans tous les cas, il y a un système international qui centralise et qui permet euh, d'identifier si c'est un passeport valable ou pas. C'est un passeport qui sera très valable parce que c'est les dirigeants de ces pays-là qui ont décidé et acté par les manifestations d'avant-hier, donc par leurs différents peuples. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème qui se pose. Et les pays membres de l'AES ont dit que les anciens passeports de la CDAO, d'ailleurs c'est pour l'instant nos passeports qui ne sont pas encore expirés, sont des passeports aussi de la CDAO, vont continuer à marcher dans les pays membres euh, de la CDAO. Et maintenant, au fur et à mesure. Donc, à partir du 29 euh, janvier, ce sont des nouveaux passeports qui vont, qui, verront le jour. Oui, qui verront. Ça, c'est clair. C'est avec les logos de l'AES. Ça sera. Vous avez vu le passeport de la CDAO. C'est avec le logo de la CDAO et avec les armoiries du Niger. Ça sera la même chose, donc, pour la CDAO et pour le, pour, pour, l'AES. C'est des passeports comme ça que nous aurons euh, demain. Euh, ou à, partir d'hier, ceux qui ont pris, ils ont déjà. C'est un passeport c'est bon d'avoir le 001. <laughs> y a-t-il des avantages liés à ce changement Bon, c'est entre les pays membres de l'AES, certainement. N'est-ce pas Bon, déjà, pour aller au Burkina ou au, Mali. ça c'est dans le cadre de l'AES. Euh, de, de, la CDAO, on n'avait pas de problème. Encore aujourd'hui, mieux, nous aurons exactement le même passeport, ne sera et on va aller donc dans, dans ces pays-là comme ce qui s'est passé de par le, passé, mais ça sera reconnu. Par exemple, quand vous partez à l'aéroport euh, dans un pays membre de la CDAO, il y a une rangée pour les pays membres de la CDAO et une rangée pour les, les non-membres de la CDAO. En Europe aussi, ils font la même chose, hein. mais la CDAO faisait aussi. Désormais, ça sera comme ça à l'aéroport de Niamey, de Bamako ou de euh, Ouaga, où quand vous venez, désormais, vous, aurez, vous allez passer comme une lettre à la poste et les autres, on va les contrôler et tout. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier, est-ce que le Niger a commencé à établir les nouveaux passeports Vous avez déjà vu Normalement, si. Il n'y a même pas Parce que chaque chaque jour des passeports sont, il n'y a même pas de doute en fait. Chaque jour des passeports. Mais ça n'a pas commencé à circuler. Non, on n'a pas vu plutôt certainement, n'est-ce pas Parce que moi, je suis sûr que le service passeport de la DST ah, a délivré des passeports à partir d'hier, euh, avant-hier, c'est sûr. Et donc, certainement, quelqu'un euh, m'a pris mon 001. <laughs> Merci beaucoup, Abakar Arimi, Ousseini le président de la Confédération des États euh, du Sahel euh, rassure en outre les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous, l'avez tous euh, rappelé. Que peut-on savoir au sujet de cette déclaration du président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta Bon, mais moi je pense que on est dans une logique panafricaniste. Ça implique quoi On doit se ressouder au niveau de l'Afrique. Il y a un départ et on sait ce qui a suscité le départ. Il y a eu un départ au niveau de la CEDAO. la départ de la douleur. La CEDAO a été créée par les Kunche, les Kierikou, les. Comment ils s'appellent Les Moustraori. Des militaires qui étaient au pouvoir. C'était des militaires qui avaient cette vision Kounché, Yadema, Yadema, euh, Traoré, euh, Abdou Diouf. Voilà. Non, c'est même Senghor. Hein. Senghor. Alors, quand. Merci, vous n'avez pas encore la parole. Ces gens qui sont à la tête de ces pays-là, qui sont venus mettre le bordel dans la CDAO. Parce que la CDAO, d'abord, initialement, a été construite. Et aujourd'hui, même dans leur propre pays, il y a des gens qui disent voilà comment la CDAO a été déviée de ses missions initiales, n'est-ce pas Des gens sont venus, on a mis la démocratie parce que tout simplement, on voulait dévier les objectifs de la CDAO. De la L'intégration des personnes et des biens. Maintenant, on vient, on dit non, démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie. Parce que tout simplement, déjà, ceux qui sont de l'autre côté, les Occidentaux, ils, ils manipulaient pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des gens qui vont utiliser. Mais, est-ce que euh, les gens ont besoin d'être manipulés Je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui n'a pas vécu dans son pays pendant longtemps, qui n'est pas là dans son pays, il est parti faire fortune ailleurs. Il vient. On peut le manipuler facilement. On a affaire à des cas comme ça. n'est pas la démocratie le problème. C'est la transparence du jeu des élections et tout et tout. Voilà la, la, fraude aux élections. La fraude aux élections. Les constitutions tu tu d'abord des engagements. Et c'est à ça qu'on a assisté par la suite dans nos pays-là. Moi, je dis quelque part, il faut créer les conditions. Même quand on va revenir à la démocratie, il faut créer les conditions pour que la voix de Harimi compte. C'est quoi la voix de Harimi Pour que la voix de Maimouna compte. Que quelqu'un vienne. Parce que tout simplement, il a en position de pouvoir. Il a l'armée. Il a la force publique. Il a la justice. Il a la justice. Il ne crée pas les conditions de transparence d'élections libres. Parce que tout simplement, de l'autre côté, euh, les, Occidentaux l'appuient et décident de comment ça doit se passer. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête d'infantiliser les, les, Africains. Voilà la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans nos euh, pays africains. Voilà pourquoi les coups d'État sont arrivés. N'est-ce pas il faut qu'on mette fin à ça. Et il faut créer les conditions. Et créer les conditions, c'est de dire non. La CEDAO, quand ça a été créé, ça n'a pas été créé. Et je l'ai toujours, j'ai dit, c'est des syndicats de chefs d'État qui sont manipulés. Est-ce qu'ils ont besoin de tout cela Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça Ils n'en ont pas besoin. Les gens ont considéré que c'est comme ça, ça doit fonctionner. Et ça continue à fonctionner comme ça. Ils vont aller s'agenouiller. Ils les appellent. Ils ne les a pas appelés pour leur dire comment faire pour que euh, ce changement au niveau, au, niveau... niveau... des mentalités, il faut travailler sur les mentalités. Il faut que les gens comprennent que, n'est-ce pas, c'est pas à quelqu'un de nous tracer la voie qu'on doit suivre. On est quand même mature, on est quand même intelligent pour savoir ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Regarde comment ils ont créé les conditions. Mais je prends juste un contexte qui est là que j'ai connu, ce que je sais que Tanja a fait, ce que j'ai vu, ces gens-là sont venus remettre en cause parce que tout simplement, c'est leur intérêt qu'ils défendaient. Tanja est venu, il a montré que notre uranium, là, il est important. Il peut nous permettre de nous développer. oui, mais, ah, Après, la mise en circulation de ce nouveau passeport, que faire pour garantir la libre circulation On va, des personnes circuler librement, Mokhtar on va circuler librement dans tous les autres pays. Regarde, on a fermé le pont à Gaïa. C'est pas ouvert, non La frontière. La frontière. Est-ce que les gens ne traversent pas par le fleuve Avant qu'il n'y ait le pont là, est-ce que les gens ne traversaient pas par le fleuve Les gens prenaient des pirogues, ils allaient de l'autre côté, c'est les mêmes familles. Est-ce qu'on peut empêcher ça Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, de Ce nouveau document de voyage destiné aux citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger porte le logo et le nom de la Confédération des États du Sahel. Quelle est votre opinion au sujet de ce nouveau passeport de l'AES Ce que je peux dire de ce nouveau passeport, c'est que c'est un passeport, euh, comme les autres l'ont dit, qui vont permettre donc euh, la libre circulation des citoyens dans l'espace euh, de l'AES d'abord, et également ça ne va pas empêcher quand même euh, aux autres pays également de recevoir, je pense bien, les citoyens de ces, trois pays. Donc l'un dans l'autre, euh, ça nous ramène à peu près à la même chose. Il n'y a pas de sanctions disciplinaires possibles pour euh, empêcher pour les détenteurs, pour euh, les détenteurs du, euh, passeport de l'AES. passeport de l'AES. La crainte qu'a soulevé hum, Euseni, c'est de sensibiliser au niveau des frontières, que ça soit terrestre, que ça soit également du côté de l'aéroport, pour que les gens n'abusent pas, pour que c'est pas parce que je suis détenteur d'un de, d'un passeport de la CDAO que peut-être j'aurai des difficultés à voyager. Non, non, parce que de toutes les mille manières, la CDAO et l'AES a bien dit que les passeports, les anciens passeports de la CDAO peuvent continuer euh, jusqu'à expiration. expiration. Donc ça, ça, ça, revient au même. Je me dis que c'est l'intégration africaine. Maintenant, faisons qu'il existe, qu'il fasse euh, de cette intégration africaine une réalité que ce soit l'intégration africaine, que ce soit du côté la libre circulation des biens, que ce soit également effectif de ce côté. Oui, mais euh, Mme comment garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens en Afrique de façon générale, même pas dans les autres pays de la CDAO C'est à nos chefs d'État de faire en sorte que les passeports de l'AES là soient euh, en tout cas acceptés partout Dans le monde pour qu'il y ait plus de facilité pour nous autres, parce qu'on ne peut pas seulement avoir le passeport de l'AES et être seulement au Mali, au Burkina et au Niger. Non, on doit être au-delà de toute l'Afrique. On doit être au-delà également de l'Europe, pourquoi pas. Maintenant, c'est des relations. Il faut jouer les cartes, il faut jouer les cartes de la relation pour pouvoir euh, amener ces pays aussi à accepter euh, le passeport. Merci beaucoup, Mme Gado. Abachari ah, Arimi, vous avez quelque chose à ajouter euh, Je crois qu'il n'y a même pas à se poser de questions. Euh, c'est des passeports qui seront automatiquement valables. Parce que le passeport, c'est une marque de souveraineté. chaque pays est libre d'éditer ses propres documents de voyage. Et c'est de cela qu'il s'agit. Personne ne va s'opposer. D'ailleurs, le Niger, jusqu'à récemment, on avait les passeports les plus, le passeport les plus, sécurisés. les plus sécurisés et les plus prisés, respectés. Moi, j'ai vu. À l'extérieur. Oui, j'ai vu des pays, euh, quand on voyage avec certains, ils ne sortent même pas de l'aéroport nous, notre, comment on appelle, notre passeport, est respecté et nous permet de faire vraiment tout librement. Et j'espère que euh, la, le, comment on appelle le passeport de l'AES sera au moins au niveau où était notre propre euh, passeport. Bon, c'est aussi le passeport euh, CEDAO. Je crois qu'à ce niveau, il ne se pose pas de problème du tout. Mais c'est une marque de souveraineté pour marquer vraiment ta différence, pour marquer ta souveraineté. Tu as besoin d'avoir un passeport et on a un passeport AES euh, désormais. C'est en fait de cela qu'il s'agit. Mais sinon, il y a quelques années, au niveau de l'Union africaine, il y était question d'un passeport panafricain. Et j'espère que ce n'est pas un projet qui est tombé à l'eau et qu'on va tendre personne. Les réflexions vont continuer. Et nous, de l'AES, et eux, de la, CEDAO, et, les, tous les autres, chacun, nous aurons tous africains le même. Parce que vous avez vu ce que le Ghana vient de faire. Ça, c'est un idéal. Oui, le Ghana, ils ont carrément enlevé le visa pour tous les pays africains on doit tendre vers ça. Et euh, en ce qu'il semble, il y a à peu près cinq pays africains qui sont déjà à cette pratique-là. À partir de cet instant, c'est la même chose, mais un passeport africain, moi j'en rêve. Merci beaucoup, Arimi. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement en 30 secondes C'est ce que a dit. Moi, je dis, quand les gens parlent de panafricanisme, l'Union africaine, c'est quoi la visée Rapidement. La visée, c'est de créer les conditions pour que... Une intégration africaine. Euh, l'intégration à tous les niveaux. C'est pas seulement sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Il faut que cette intégration prévale. Mais malheureusement, il y a des chefs d'État manipulés qui sont venus. Ils ont instauré cette situation-là. Les Kunchés, quand ils avaient fait ça, ils n'étaient pas inféodés. Aujourd'hui, on est dans cette situation parce que, à cause de nos ressources naturelles, des chefs d'État sont arrivés qui ont été imposés quelque part, qui ont été, on a créé les conditions pour qu'ils viennent au pouvoir. Merci beaucoup. Laisse-moi finir. rapidement, rapidement. Oui, rapidement. Parce que tout simplement, il fallait continuer à contrôler et c'est nos ressources naturelles qui les intéressent. C'est pas autre chose. Merci. On, est encore toujours dans, euh, au stade sous-développement. merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a rencontré jeudi 23 janvier les opérateurs économiques, notamment les importateurs, pour une meilleure gestion du prix des produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan à venir. Ousseini Sajibou à travers les échanges, il s'est agi pour les différents acteurs de trouver des voies et moyens pour alléger les souffrances des populations pendant le mois béni de Ramadan. Faut-il rester optimiste cette fois-ci quant à la bonne foi et la sincérité des opérateurs économiques nigériens L'année dernière, il y a le sucre qui a disparu, karma. Dans un mois, c'est à la fin de ce mois-là que le jeune va démarrer, non Oui, mais l'année dernière, est-ce que c'était pas les conséquences bah, de la fermeture des frontières quelle Le ministre est allé, on a dit, tout est là, prêt. Il y a le sucre et tout et tout. On s'est retrouvé dans une situation où accéder au sucre, le sucre était devenu un luxe, n'est-ce pas Alors que les mêmes opérateurs économiques ont dit qu'ils ont pris les dispositions pour créer les conditions afin que on ne soit pas dans des situations de pénurie. N'est-ce pas Aujourd'hui, il allait, j'ai vu des commerçants, des opérateurs économiques qui font les yeux doux. Ça, c'était après la rencontre Mais ils font les yeux doux, ils disent qu'ils ont réduit le prix du riz. On a même amené le riz à 12 000 ou quelque chose comme ça. Ah, à 13 000, 13 000, 13 500, 13 250. Ils ont refusé de faire ça avant. Mais voilà, subitement, parce que tout simplement, il y a une opération, les gens de la région de Tilabéry, ils ont décidé de venir vendre le riz qu'ils ont conditionné. À travers euh, une foire à, travers une foire. Maintenant, ils ont décidé, j'ai vu qu'ils ont dit, ah bon, voilà, le riz, maintenant, on a ramené ça. Le problème, c'est quoi Quand on va attendre, on va arriver jusqu'au mois de juin. Ces mêmes opérateurs économiques-là, ils vont créer les conditions de pénurie pour monter. Mais cette fois-ci, ils ont pris l'engagement. Quel engagement Laisse tomber. Quel engagement Quel engagement Vous ne croyez bah, pas à la sincérité Moi, je ne crois pas à leur sincérité. Ils prennent des engagements, mais ils révèlent là-dessus. On crée des situations de pénurie, alors qu'il n'y a pas cette pénurie-là. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que ce n'est pas sincère. Quand on veut faire, il faut faire en sorte selon vous, euh, ils n'ont pas besoin de rencontrer. Ah, le, Mais ils, ont besoin de rencontrer, ils ont besoin de rencontrer pour qu'on leur fasse des assouplissements. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas parce qu'ils sont sincères. Pour moi, il n'y a pas de sincérité. Parce que, imaginez. imaginez, dans les pays, comment s'appelle, les pays côtiers, quand des événements comme ça arrivent, on n'a même pas besoin de rencontrer les opérateurs Paul dit, ils le font de manière systématique. À cause de cet événement-là, les fêtes de fin d'année qu'ils font là, à cause de ça, systématiquement, ils réduisent. Et si les gens attendent ces occasions-là pour gonfler, pour amener au plafond les prix des marchandises. Ils ont rencontré, ils ont rencontré, ils ont dit quoi Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, le ministre euh, Seydou Asuman a solennellement invité les commerçants à prendre l'engagement de faire en sorte que les produits de première nécessité soient accessibles à la bourse du citoyen moyen. Quelle est votre opinion au sujet de cette rencontre non, En fait, ce n'est pas qu'ils vont diminuer, c'est qu'il y ait plus de contrôle par rapport au prix, justement. Parce que l'un dans l'autre, si eux, ils décident aujourd'hui, ils disent qu'ils vont diminuer. Ils ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement. Ils se sont engagés. Oui, ils se sont engagés. Mais est-ce que dans la réalité, ils vont le euh, faire. Ils vont le faire. C'est ça aussi. Mais, il revient à vous autres journalistes aussi de, de faire le constat sur, le, on fera euh, sur, le, le, marché. On fera le constat de toutes les mille manières et on rapportera également ce que nous avons vu. Mais ce que je suis en train de dire, pour ne pas en arriver à là, euh, à faire le boulot, c'est d'interpeller le ministère du Commerce. Il y a quand même un bureau qui s'occupe euh, du constat des prix, de, de, l'observance de, ces prix-là. Moi, je pense que le prix de sac de riz, comme ils disent, qui viennent à 13 000, 13 250, 13 500 quelque part, mais pourquoi ne pas uniformiser ça Pourquoi est-ce qu'on peut pas. Les, riz ne sont pas de, la même qualité. Et si ils sont de bonne foi, on parle toujours du riz indien. Et nous savons que le riz indien, là, c'est un peu partout. Mais pourquoi ramener même le sac à 13 000 Bon, ça ramenait le sac à 11 000. Puisque le sac jaune qui se vend chez euh, Oudouinouza, avant ça se vendait à 11 000, à 9 000 même, 9 500. Mais pourquoi aller jusqu'à 13 000 parce que jusqu'à présent, le pouvoir d'achat des Nigériens ne sont pas arrivés à là où ils peuvent acheter un sac à 13 500. C'est pas tout le monde qui peut acheter un sac à 13 500. Mais est-ce qu'ils peuvent euh, s'en sortir euh, en vendant le prix euh, que vous, le voulez Mais, mais s'ils disent qu'ils ont ramené le prix à 13 500 ou 13 000, ça veut dire que tout simplement, il y a eu des engagements également qui ont été pris au niveau du ministère du Commerce pour alléger le transport de, des marchandises jusqu'à jusqu destination. Ça veut dire quoi Quand vous regardez même les forces de défense et de sécurité qu'ils déploient pour faire traverser les camions du Burkina Faso pour le convoi jusqu'ici, mais c'est de l'argent aussi. Et, c'est qui paye Certainement que c'est l'État. Il y a des taxes qui ont été allégées pour que les populations puissent accéder à la nourriture. Mais si aujourd'hui déjà sur le marché, quand vous constatez, il faut même pas aller sur les euh, pour demander le, kilo ou quoi. Vous, si on, si vous comprend, euh, vous ne. Il y a une inquiétude. Hein. Vous êtes inquiète Il y a une inquiétude. Hein. Parce que prendre un engagement et ne pas respecter l'engagement, c'est une inquiétude aussi que j'ai. Vous ne croyez pas à la bonne foi, la sincérité des opérateurs pas à la sincérité des opérateurs économiques. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois, quand c'est la veille du ramadan, appeler les opérateurs économiques pour leur dire qu'il faut diminuer. Est-ce que ça vaut la peine de leur dire de diminuer Non, moi je ne vois pas. Merci beaucoup. Mais peut-être que maintenant, avec toutes les interpellations qu'il y a eu à faire, euh, que les, les journalistes ont eu à faire, les mondes du citoyen ont eu à faire, par rapport au ministre du Commerce, peut-être que cette fois-ci, il y aura un changement et nous allons constater, peut-être le temps venu, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais si dès maintenant même euh, le citron coûte très cher sur le marché, le gingembre a disparu, donc, dans ce cas-là, ce c'est pas le sucre aussi ou un carton, un paquet de sucre. Qui vient d'ailleurs. Un paquet de ah, sucre. Ah, ah. Non, mais même ceux qui, ceux qui est cultivé ici mm. aujourd'hui, ça ne s'achète pas. Merci beaucoup, Mme Gado, Que faire pour que les produits de première nécessité soient à la portée des consommateurs nigériens Écoute, euh, ça c'est aux commerçants qu'il faut s'adresser, à mon avis. En dehors de la décision du gouvernement, du ministère, n'est-ce pas, euh, même si c'est une demande euh, qu'ils ont adressée aux commerçants de diminuer euh, les prix des marchandises, nous sommes un peu au lendemain des récoltes, n'est-ce pas Parce que, normalement, tout le monde le sait, le mois de Ramadan, il est tournant chaque année, c'est, cette année, ça va commencer en fin, fin de février. L'année prochaine, ça sera vers le 20 février, le 18 février, comme ça que ça va commencer. L'année sur prochaine, si Dieu nous prête longue vie, ça sera euh, euh, vers le début janvier, janvier, début février, ah. ainsi de suite. Et donc, cette année et les années qui vont venir, ça sera en pleine période de récolte. N'est-ce pas? Même le riz sorti de nos jardins, de nos rizières ne sont pas épuisés. C'est la période vraiment de production de la pomme de terre. J'ai vu, c'est revenu à 600, 600 francs le kilo. Cette année, c'est allé jusqu'à 1200 le kilo. N'est-ce pas Malgré tout, tel que nous connaissons nos commerçants, ils vont faire en sorte que tous ces produits soient rares et que ça coûte cher mais C'est probable que. finir. Mais je crois qu'on doit veiller. La foire de la région d'Agadez qui s'organise à la place Toumou, à côté du garage mairie et tout. La foire des maraîchers. Doit, ça doit se faire. Ça doit se faire. Parce que ils sont, ils sont, le problème se pose à Niamey. Le principal problème se, pose à Niamey. Parce que les gens passent la journée avec leurs jeunes. Ils ont besoin de la nourriture, de, de de fruits et légumes en fin de journée. Et les gens profitent pour vraiment rehausser. Quelque chose, je vous ai dit il y a un an, pendant, euh, pendant la, fermeture de nos frontières, la banane est passée à 1000 francs. C'est resté à 1000 francs jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et je me rappelle de l'année où la banane est passée de, 6, de 500 francs à 700. C'était un mois de carême, de ramadan, c'est venu et ce n'est plus redescendu. Donc c'est aussi ça le problème avec nos commerçants. Normalement, on dit euh, que c'est l'offre qui justifie le prix. Chez nous, ce n'est pas ça. Il y a un tacite vraiment délit d'initié les gens s'entendent pour fixer le même prix pour les produits. Puisqu'ils n'amènent pas suffisamment, nous ne produisons pas, ils amènent de quoi qui peut être consommé et ils nous fixent le prix qu'ils veulent. Je crois que cette fois, on doit nous entendre. Il y a des choses euh, sur lesquelles le gouvernement même n'est pas, le, ministère du, Commerce n'est pas revenu. J'espère que la question du gaz domestique doit être aussi réglée. Mais cette question a, été aussi, a fait l'objet aussi d'une rencontre avec les professionnels euh, du gaz. Vraiment, on doit voir que c'est arrivé et que c'est désormais ainsi que ça coûte est-ce que c'est disponible. Et que le problème d'essence qui se pose, que c'est la dernière fois que nous l'aurions vécu, que ça ne va pas revenir. Donc, moi, je pense que l'État, le, gouvernement a, a, joué un rôle extrêmement important en matière de régularisation, de régulation des prix des marchandises. Voilà ce que je peux dire. Euh, euh, euh, le problème, c'est que quand ça monte, ça descend jamais. Jamais C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors que l'État fait prendre. Merci, merci à vous tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memoune Gado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.